Tout va nous parler de la journée mondiale de l'hépatite B. Il y a un magnéto. Bonjour les filles. Comment allez-vous Vous avez bien petit déjeuner Oui. Oui alors là, ça veut dire que vous êtes en forme pour un vendredi. ouais, it's Friday. It's Friday, yes. Um, so, l'hépatite B, journée mondiale. Hein, ouais, t'es la journée mondiale hépatite euh, malheureusement quest hépatite B c'est mais hépatite a plein en globalité. Je me suis trompée sur l'écriture. D'accord, tu t'es trompée sur l'écriture. Euh, alors, euh, vous dites euh, bonjour aux éditeurs quand même, même si vous m'avez dit bonjour à moi. Bonjour tout le monde, bonjour Hadisène. bonjour Ezo, bon, on dit bonjour à tout le monde. <laughs> Les auditeurs, euh, c'est sécurité, les auditeurs. Ah, Alors bonjour aux auditeurs de la 99.4, bonjour aux internautes, bonjour aux auditeurs euh, de, du site, hein, ceux qui nous écoutent à travers le site, l'application. Gros bisous à vous tous. D'accord waaw maa ngi nuyu képp koo xam ne que yaa ngi déglu night night point fort est ouest sur sud Sénégal extérieur ñëpp ñëpp ñëpp di leen wax ne King Family King FM at groupe Future Media ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Mm. d'accord instant waane de Bintou comme d'habitude Magneto. <laughs> Magneto pour la santé. Journée. Les petites minutes santé. Occasion pour nous de parler de l'hépatite. Cette journée mondiale voulue par l'OMS est destinée à faire connaître les différentes formes d'hépatite au grand public et fournir des actes d'action. Comment reconnaître les hépatites Comment l'hépatite se transmet qui est exposé à l'hépatite. Quelles sont les différentes méthodes de prévention et de traitement C'est pour cela, malgré les ravages provoqués, les différentes hépatites sont en grande partie méconnues. Elles ne sont souvent pas diagnostiquées ni traitées. Plus d'un milliard de personnes sont infectées par une hépatite, soit B ou par C. L'OMS tire le signal d'alarme. Aujourd'hui, la journée contre l'hépatite vient à point nommé pour rappeler l'ampleur du fléau. Les risques hépatiques représentent un risque majeur pour la santé dans le monde avec près de 1,4 million de décès enregistrés chaque année et des centaines de millions de personnes touchées par cette affection qui est chronique. L'hépatite, effectivement, c'est une maladie euh, dont on parle mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Wow, assez mon tax euh, li nga xam journée mondiale ça permet à yi nga xam ne ne médecine bi ak patients yi wala ñi nga xam ça, ils sont pas au courant de faire bi exactement ñu daal di toog def benn euh, panel ay panel def tamit ay conférence donc di expliquer li nga xam cause conséquence symptômes de maladie mo tax tay mu une journée mondiale contre l'hépatite mu am nak façon hépatite yu OMS euh, muy organisation mondiale de la santé di ci def gëstu bu baax parce que dañu remarqué nek que trois hépatites hépatite A hépatite B et hépatite C. tout à fait bu ci nek nak am nga nombre de personnes parce que hépatite B A amna 1 un million de personnes yo xamné que ñu ngi dund ak hépatite B amna 2 millions hépatite C mo gëna a bëri. fii ci Sénégal non non dans le monde. dans le monde dañ def sensibilisation une xamné pour que c'est global. Mm-hmm. hépatite C bi nga xamné chronique mom mo nit parce que ça fait 150 millions de personnes qui ont ne ah, ngi dund ak hépatite C. Ah, ah. légui pour cela après dinañ indiwaat. Euh, hépatite A B bu ci nekk ñu détaillé ko mm-hmm. mais c'est une occasion pour mettre en avant mais aussi jël patient yi waxtaan ak ñom def ay diagnostic ñi nga tamit ils se disent disent qu'ils sont ils n'ont pas l'hépatite ñu xool nag am nañ fièvre bi wala amuñu fièvre bi. les causes de l'hépatite waaw les causes les causes. waaw cause hépatite euh, dinañ si delluwaat parce que bu ci nekk dafa am distinction parce que beaucoup, hépatite A hépatite B ak hépatite C. après ci y jours yi ñëw yi dama koy détaillé benn bu ci nekk ma daal di expliquer bu ci nekk lan mooy cause symptôme ak traitement yi nga xam ils n'ont pas de symptômes en commun c'est-à-dire peut-être une fièvre une diarrhée des vomissements euh, je sais pas le corps chaud mm-hmm. une fièvre ou quelque chose comme ça est-ce qu'ils ont quelque chose en commun euh, parce qu'on dit quand même hépatite. Mm-hmm. après on dit A B C ça veut dire que peut-être ils ont des divergences mais peut-être ils ont un point commun, c'est-à-dire quelque chose, euh, quand tu l'as, on sait que tu as l'hépatite. Après, peut-être faut faire d'autres analyses pour savoir si c'est l'hépatite A, B ou C. Effectivement, comme nous avons dit, il y a des points, des causes qui sont mais bu ci nekk rek distinction mais comme je l'ai dit dans mes Bible, une prochaine fois bu ci nekk après ma indi cause hépatite A cause hépatite B et cause hépatite C pour nous montrer plus largement nous devons di ko spécifier daal di D'accord, parce que je sais qu'au Burkina Faso, il y a beaucoup d'hépatite. Donc je me dis, et à chaque fois il y a une sensibilisation au Burkina Faso, oui, par rapport à l'hépatite. Euh. donc euh, la prochaine fois tu nous détailleras tout ça, Bintou. Mais en tout cas aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'hépatite en général. Et on rappelle qu'il y a l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C il y a quelque chose à rajouter Bintou Waouh! Dis moi, que les sénégalais n'ont pas xel ne maladies qui ça existe ils sont porteurs de ces maladies là Ce n'est pas parce que le paludisme est le mettre en avant bàyyi yeneen malheureusement comme ay hépatite wala yenn fièvre bu ci journée mondiale rek y des def ay panel wala a def mais à part ça d'autres tu am benn communication te il y a beaucoup de gens qui souffrent de ces maladies ngi souffrir hépatite donc ce serait mieux que communication avec le New par rapport à Yenen maladie. d'accord un petit coucou à El Nian sur le Facebook de je vais dire Fatima, l'officiel de King FM Reims Bas qui dit j'ai entendu que l'hépatite B est causée par une par un échange de salive c'est-à-dire flirter. Bon, après, c'est cause. Ah, je pense qu'il va falloir approfondir ça parce que sinon tout le monde aura l'hépatite hein, dans la mesure où euh, il y a beaucoup de flirts partout euh, dans le monde. Et quand on regarde euh, les chiffres, bon. C'est à voir, c'est à voir. on, va faire, on va approfondir ça. Serine Bakedjohane, <clears throat> un bon coucou à toi. Khadija Koita. Reims Ba, Job Ella Jaina Banjai, Moussa Chez Couturefei, Hassan Daou, Chertiyan Lei, Fatima Ba, voilà, Jibinjai et euh, Mimiko. On vous fait un coucou depuis les studios de King.